d'avoir concrétisé ce soir un de mes rêves les plus ardents. C'est d'exceller surtout dans mon domaine tout en emportant avec moi des jeunes, surtout des jeunes femmes, afin de créer de l'emploi dans mon pays. Notre président, Macky Sall, a fait de cette année une année sociale. Son épouse, la première dame, Madame Mariam Faisal, la patronne de cet événement, confirme cette vision. Tout en la prenant comme modèle, je m'en suis inspirée. Aujourd'hui, je veux essayer, dans la mesure du possible, de participer au développement de mon pays. Le groupe Raffines en plus de la beauté, qui est notre domaine de prédilection, s'investit beaucoup et activement dans le social. Depuis mon enfance, j'ai toujours été sensible à la cause des démunis. Et depuis, je me suis battue pour en arriver à un certain niveau afin de pouvoir venir en aide à ceux qui en ont réellement besoin. Le social m'importe le plus dans le projet de, ce, de cette première édition de la Finesse Fashion Show. Je ne manquerai pas de vous dire que les 50% de nos recettes sont destinée à l'Empire euh, des enfants, la maison SOS Enfants et la maison d'arrêt de correction des femmes de Liberticis. Si j'ai eu envie de faire tout cela, c'est pour moi une façon de lancer un message à mes sœurs. Une femme doit s'activer dans la vie de tous les jours pour soutenir son mari. Par la même occasion,

man bi muy wax ba yegg ci jëkkëram xam na ni fofu lay mujj ndax tamit man lu bari la ci xam ma cee fekk lu bari donc ngeen ñaanal leen yalla bay leen yalla sam leen bu baaxa baaxa baax bisu buñu ñu benen micro rek fi toj ma wax la yu bari dama bëgg di ak yow nga taxaw ne manay wax la xew ci digënté Clara ak PDG fekk na premier pas yi bi PDG dem kër Clara wa li ma bari ba nga bay la nga doxal ba ca kanam ak kanam plus de détails pour relation entre PDG et Clara Chikanapalaba. Et Elle donne envie à toutes ces femmes qui se battent pour mettre en place des choses ces femmes qui sont mamans qui travaillent et qui se disent est-ce que je vais y arriver Elle donne envie à toutes ces femmes de se dire oui c'est possible on va le faire ce soir c'était son rêve elle l'a réalisé elle l'a réalisé et vous aussi vous pouvez réaliser vos rêves de mettre lancer le